trois minutes nag bu ko pour bu ko Assalamu alaikum. ana étudiants Et asalaamaaleykum. étudiants y a un cela montre que les étudiants sont majoritaires aujourd'hui. et heureusement pour le collectif Noo les étudiants ont bien compris le message. et nous avons des parents et eux, ils payent l'électricité. nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour le peuple sénégalais. Nous ne sommes pas des corrompus. Quand les fi jox dans ki pour mu car Quand lañ fi jox donne pour mu et nous, nous, parce que comme tout suñu pays. Nous sommes là parce qu'on a foi à notre nation. Nous disons non, comme tout le monde. Nous disons non à cette hausse des prix Nous disons non, nous disons non, nous disons non, dictateur Il est pas de nous. Je m'en profite également, également pour rendre un vibrant hommage à nos martyrs, Fallou Bassirou Faye, Mamadou Diop, Omar Diop Blondin di leen wax nii di wax seen waa famille nous disons à leur famille que ñooñu luñ doon xeex tey ba jël ñàkk ci seen bakkan tey ay exemple lañ pour cette jeunesse de le combat continue suivez les étudiants suivez les étudiants engagés sont plus que déterminés nous allons combattre l'injustice et la malgouvernance suivez les étudiants merci Papa Abdoulaye Deftek le Deftek dañ ko jàppandoo woon ak ku bëgg ñu libéré Guy Marius

dañu fi ñëw ngir ñaxtu courant bi dafa seer xam nañ ni tey jii nii Sénégal kii fayeeku naan cinquante mille la am ak ki ne trois cent mille la am ñoom ñëpp courant bi ci ñoom la gën a métti ka man mi am journée deux mille francs tey boo doon am euh, nga am fayeeku mois cent mille tey bu ñu yokkee courant bi booy fay courant boo fayee courant ba joxe euh, sa dépense lii lay dese du mat cinq mille francs kon ñun Kurabi. Kurabi. Kurabi. Kurabi. Jangan dia sama gay. Nanyu dindi. Gimari sanya sikka sobi. Paska gimari sanya. Deful lima mbaynya dev. Gimari sanya deful li alu sal dev. Gimari sanya deful. Gimari sanya deful. fa incha allah jaa ngeen jëfati. merci beaucoup. tàccu leen leen def tàkk bu baax a baax a baax. ñu ngi woo. Abbas Fall Pastef. Abbas Fall bu Pastef. Abbas Fall bu Pastef yow la ñuy xaar pour 3 minutes. Abbas ana ana Abbas Fall bu Pastef. ana Abbas. Abbas bismillah. ayca pour 3 minutes merci beaucoup frère. salaamaaleykum. Diop se prépare. salaamaaleykum. dinañ ko wax waxaat ko. mais tey li ma bëggoon wax ak sénégalais yi toog seen kër. Guy Marius Sagna waruñu gën a gore. Guy Marius Sagna waruñu ko sacrifier. ngeen baal ma mais waruñu nekk des lâches toog suñu kër. Il Marissanya en prison Il est contraté comme un terroriste alors que c'est un citoyen un militant du droit et de la justice que fait de défendre les populations c'est une ingratitude Nous sommes Sénégalais si on pouvait parvenir à à rassembler un million de Sénégalais dans la rue excusez-moi nous dem palais de la république menacé nañu dem palais de la république Guy Marius sera libéré je ne parle plus de la hausse du prix de l'électricité parce que sénégalais n'est pas nañ ko mais nañu libéré Guy Marius c'est tout ce que j'avais à dire je vous remercie Nous continuer rek Nan yàcc ni nous continuons ñoom ñu continuer di ñu bàyyi Macky Sall mu dal ci Guy Mari Sagna booba ba léegi lii ba kañ ba kañ ba kañ Sénégal yi dama ni Macky Sall wata wat wata wat wata wat wata wat wata wat wata wat chers compatriotes toutes les consciences justes sont malheureuses tous les démocrates de conviction sont malheureux tous les démocrates de conviction sont malheureux. Nous souffrons tous, nous souffrons de la situation des libertés de notre, dans notre pays. L'emprisonnement de Guy-Marie Sagna est un scandale, un grand scandale. L'emprisonnement de Guy-Marie Sagna est un péché, un grand péché contre le peuple, un grand péché contre la justice. péché contre les anges et contre Dieu. Nous pouvons lire dans la Bible malheur aux, auteurs de scandales parce qu'il arrive, qu'il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive, malheur à Macky Sall parce qu'il est à l'origine de tous les scandales qui secouent notre pays. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'il maîtrise une certaine presse, passer l'idée selon laquelle que Guy Sagna est un terroriste. S'il est un terroriste, nous sommes tous des terroristes. Si Guy Sagna est un terroriste, nous sommes fiers et nous sommes très honorés de défendre un terroriste comme Guy Sagna. Un terroriste qui a choisi de défendre les pauvres, un terroriste qui a défendu son peuple, un terroriste qui a défendu les travailleurs du PCCI, un terroriste qui a défendu, qui a lutté contre la spoliation des terres à Taïbangaï, à Guédiawaï. Un terroriste, un terroriste qui hypothèque sa vie pour défendre les familles pauvres, les vrais terroristes, les vrais terroristes, c'est eux, eux, eux, eux qui nous qui, nous, qui spolient nos terres, eux qui nous ont volé notre avenir, eux qui nous volent nos larmes, eux qui nous volent nos sangs, eux qui nous volent notre sueur, sont eux les vrais terroristes. Qui, qui, qui est un patriote qui, qui, qui doit rentrer à la maison, qui femmes. Merci, merci, merci. Merci, professeur. Merci, professeur. ñu ngi woo Aliou Seck. Aliou Seck bu troisième âge. troisième âge. Aliou Seck ay waay suñu waa troisième âge yi xam nga ne li métti na. paa yi sax ci xeex bi la ñu je paa yeeg maire yi sax ci xeex bi. gàcce ak maire yi bu leen fàtte. paa am ngeen jaaraama. jërëjëf suñu papa yi Aliou Seck du troisième âge. بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله أي مكتال مكتال نقل قرر مكتال قرر مكتال قرر أي قرر لي جب أي قرر لي فل كونك قرر في قرر ألك قرر كناو ألك xam nga ni bu doon loolu si ñii sama set la ñi maa leen mag fop maa ngi ci 86 ans kon su ma jógee di wax am na lu tax mooy wax xale yi ku leen jàppale wala yàlla du leen jàppale yoon du leen jàppale suñ tubaab dañ leen jàppale sagal sagal jar na tuuti ñu def daa ngeen am ndam parce que borom Touba daa ngeen am ndam jërëjëf yow. représentant du G20. représentant du G20. alors lii daw na yaram malam. paa bi ndeysaan kaddu yi daw na yaram tàccu leen ma góor gi waaye. tàccu leen suñu maam kii. tàccu leen góor gi. 86 ans. 86 ans. teew ci xeex bi. war naa tax dara nguur gi jël seen yaram daw. pendant ce temps am na ay ndaw yu toog ci bopp koñ di naan caay. responsabilité la xam la. loolu responsabilité la. ñak a xam sa avenir do mo la. di lakk ay galañu ngon te lolu worul tay je. le représentant le représentant du G20. le représentant du G20. ay ca pour xaj bu seddee sauf Alioune Sané. Alioune sane le GFL, le représentant du GFL. Donc, euh, monsieur Dambod, le secrétaire général du, SAMS, du, du QSAMS authentique, devait être là. Mais certainement, il est en retard. Demandez gars yi maa fi nekkal GV euh, ci turu Damboj di secrétaire général CUSEMS A nekk nag euh, euh, jiitu GV certainement dafa tardé moo tax ñëwul ma ne gars yi combat bi combat de principe la peuple yëpp la woo pour ñu ñëw daal di ku nekk loo daal ko ciy def mobiliser ba pare mobiliser askan bi yëpp ñoom ñu wax ne euh, depuis quelque temps euh, njëg yaa ngi yokku les denrées de première nécessité lépp a ngi yokku te li nga waral moom mooy yokkum courant bi donc euh, il faut ñëpp taxaw takku daal di wàcc ñun waa ñoo ngi ànd ak ñëpp pour que Guy ñu libéré ko. sant. jërëjëf Malang. ñu ngi woolu coordonnateur dañoo lank. le coordonnateur Aliou Sané. soose bu ñaawul bi. Aliou Sané on vous demande ici. tàccu leen Aliou Sané. Aliou Sané. ndax foo nekk. borom ñaari sakara yàlla yi. borom 37 sakara maam yàlla yi. Aliou Thiaw rek moo la ëppale moom 1018 sakara la yor. Allez Aliou le coordonnateur Nyon Lang. assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Gagne dans dama bougon a 3 d'abord Nous chanter l'hymne national du Sénégal un deux et trois Vingt tous, fois qu'aura frappé à fond, le lion rouge a rugi, le donneur de la brousse, d'un bon s'était lancé, dissipant les ténèbres, soleil sur nos terres, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Libre de mon cœur vert, épaule contre épaule, Mes plus frères sénégalais debout, unissons la mer et les sources, unissons la terre et la forêt. Salut Afrique! Merci, coordonnateur! Allez, chanel, Gagné! Avant, moi, dañuy daldi di ni rek kenn ci ñun wala nous ñenn ci ñun ni ki 31 janvier ñak nañu seeni bàkkan pour xeexu askan ñenn ñi seen pour xeexu étudiants yi nga xamanteni ci lañu ñu bu len fàtte mukk ni suñu frère suñu soppé Mamadou Diop c'était en 31 janvier

moom la Balla Gaye faatu woon muy étudiant bu ko don ak ay camarades étudiants pour amélioration conditions de vie des étudiants C'était le 31 janvier. En même temps, on rend hommage à Fallou Sen et à Bassirou Faye yi nga xamanteni aussi c'est des étudiants avec nos frères et sœurs étudiants qui sont là aujourd'hui avec nous massivement. ma bëggoon def ma ñu une minute de silence. en leur mémoire bala ñuy tambali waxtan une minute de silence les gars Merci beaucoup. Merci. moy ñi fi nekk ñëpp Y'en a taxu leen a ñëw FRAPP taxu leen a ñëw gilet rouge taxu leen a ñëw SNP taxu leen a ñëw PASTEF taxu leen a ñëw PDS taxu leen a ñëw keneen taxu leen taxu leen a la ñëw Sénégal moo leen tax a ñëw frère yi ma que tout à l'heure nous sommes au palais nous sommes au palais engagement bon mo baax seen injustice bi ñu gis suñu frère Guy Marius Sagna di subir nous koy xoqatal ñu nous sommes celui de l'homme de l'année moi, mon consensus fort autour de ça mais aujourd'hui cet homme de l'année se retrouve injustement emprisonné par un pouvoir par un pouvoir bandit loolu mo ñu au palais Té li fi nek li fi comme force muy ay jeunes li fi nek di suñuy mag di suñuy papa di suñuy mam, di suñuy nijaay Tay buñu dem palais kenn ñu décidé n'aime pas lesquels nous parce qu'on a cet engagement on a cet amour pour notre patrie de c'est un message pour le pouvoir c'est le troisième grand rassemblement que l'on fait et j'espère que et j'espère que et j'espère que pour une bonne fois pour toutes bonne fi de ils auront une bonne lecture de ce qui s'est exprimé aujourd'hui. Parce qu'on n'aura pas toujours la même patience. Parce qu'on n'aura pas toujours la même patience gagnée. On n'aura pas toujours la même patience. nous est la première chose pour moi, la deuxième chose coûté au prix wu électricité bi jaratul sax ma ciy xuus constaté nañ ko posture décembre yi déjà wane na ko sénégalais yi tàmbali nañu sonn déjà mais waxatuma sax yokkutewu facture électricité yi ndax waxoon nañ ko ca njëlbeenu ñoo lànk nee nañu ni mbir mi c'est un gis ngeen tey ñu ngi naan duulin bi moo mujjee yokk litre bi jóge na de 900 francs à 1000 francs CFA 1300 Nous ceeb bi de 240 000 à 280 000 francs CFA. c'est assez. Nous ne ñu de 42 500 à 60 000 francs CFA Gagné. ëpp le peuple souffre le Sénégal souffre les Sénégalais sont fatigués. les sénégalais sont fatigués encore une fois on n'aura pas toujours la même patience l'autre chose moi, pression pour une fois à la veille d'une manifestation nous avons une autorisation à 15 heures Lolou, c'est pas c'est pas ni ni ni c'est pas à cause de nos beaux yeux c'est parce que sentir le peuple bi mu ngi que peuple bi mobilisé pour que l'île soit ils ont eu cette lecture ils l'ont compris et gis Dembo, le président de la république Macky Sall mu ngi naan muy naan Sénégal réewu démocratie la est-ce que Sénégal réewu démocratie la. d'autorisation, c'est-à-dire nous marche, il faut que nous le nous avons nga administration pour que ñu les autoriser à marcher. est-ce que le régime autorisation la ñu Le régime déclaration la li war à chaque fois que nous def bu ñu marche dañuy marche malheur malal taala ci sono bi teg nañu ay son yi face à ses propres contradictions bi mu nekkee ci ne ni da dañuy dee encadré ba day am sapeur pompier yu fi nek est-ce que sapeur pompier yaa ngi fi est-ce que gis ngeen fi sapeur pompier. donc gars combat bi dina wëy pour terminer ok tegal ñu vaar bi ñu déglu tegal ñu vaar bi. et qu'à partir d'aujourd'hui attaquer sous tous les fronts. Sur tous les fronts, on va les attaquer. gis déjà premièrement un organisme défense des droits de l'homme yu Amnesty yu Ligue sénégalaise de défense des droits de l'homme yu mène ni yu article 19 à notre travail pour am solo au niveau de l'international au niveau de niveau pour que détention arbitraire ou Guy Sanyabi, nous bi ñu non seulement mais appeler à l'ordre le régime de Macky Sall. gis ngeen aussi diaspora Paris bi Paris, Paris suba incha nous mobiliser wu à Paris gis ngeen à Bruxelles Demb. mais vous nous dites ci nous gaañe je vais terminer par dire. Je vais terminer par dire que notre patience notre esprit citoyen, notre sérénité a des limites. Notre sérénité a des limites. Notre patience a des limites. Notre patience a des limites. Gagne, gagne, gagne. Le combat va s'intensifier et on va les attaquer sur tous les fronts. Gagne, Gagne, Gagne, merci beaucoup. Malal. kilifa. Malal. waaw. sama gars yi. dafa. masla dafa. tey. Eh. ñun ay góor lañu ay sénégalais lañu. ñun ay gaynde lañu. ñun ay góor yàlla lañu.

sociétés Sénégal sunu nos sociétés e na sunu société e ma qui Macky là, ma la Macky là, ma qui respecte sur nos Sénégal il faut que nous wan il faut que nous wan nous sommes déterminés il faut que nous wan nous sommes un peuple debout il faut que nous wan Ablaye Wade bëggee fontoo dañ ko ñaf ca xaj il faut que ñu ko ni lu ñu mayul Ablaye Wade duñ ko may keneen lu ñu mayul Ablaye Wade lu ñu mayul Ablaye Wade sama gaay yes comme que 15 minutes te ki Wara.